gisoon nañ euh, le superviseur ministre Moussa Balde, en présence euh, de tous les responsables du département pour me lancer officiellement la vente des cartes Taïnak, c'est l'heure loolu la commune de Rufisque Ouest sukkandikoo nous avons ñun ñëpp responsables, avec une forte mobilisation des femmes et des jeunes pour que officiellement à présence des commissaires et des superviseurs nous nga xam parti bi déplacé l'honorable député maire Ibrahim Baba nous ñu remettre officiellement le quartier au commissaire Nous leen ñan répondants dans les quartiers et nous les dans cette phase décisive euh, Nous avons leen aussi contenu circulaire du président Binde, nous avons aussi l'aide de mission yi nga commissaire pour que le quartier bu ñu du nit wala responsable moy jënd carte yi denc ko di jox ku ko neex mais képp kuy militant ou militante yow yaay génne sa poche ñaar fukki dërëm jënd carte pour wane sa engagement à sa détermination. ndaxte la prise en charge de la candidature du président la proposition de porter la candidature du président Macky Sall mu ngi tàmmali ba ñuy defee assemblée générale départementale tey defe naa ne commune de Rufus dañu firndeel waat loolu dëgëral ko ndaxte tey jeunes mis ñoom ñëpp seen bopp pour que président de la république fasse son deuxième quinquennat Nous avons aussi ci disposition constitutionnelle disposition constitutionnelle bi ku bëggul dégg parce que nous, di wax ay troisième mandat ou le quatrième mandat n'est pas ce qui nous intéresse nous ñun nous ñu mais en tant que parti en tant que coalition nous avons le devoir moral le devoir quand même de voir ñun diw candidats. sunu candidat diw candidats ndax mom dina talal loo xam candidat la lolu mom la mais ñun li ñu gëm di liggéey ànd ak ak sunu population ànd ak suñuy responsable moy président Macky Sall moy sunu candidat mom lañu bëgg mu nekk candidat pour les élections de 2024